Oui. Euh, xamle ou wax attention pas moi non c'est faux arrête non arrête ah, arrête non retire ce mot non non attendez non non attendez non attendez non non attendez attendez c'est déonto non c'est non non non attendez non non attendez c'est déontologie dama nga am liberté bu oui c'est-à-dire avant 2019 amul woon amul que le 50 de la de nationale loolu donc muy xamle lay wax ça veut dire que moment yi nga Japonais ont créé ngi club club 50 pour la finance nationale il gagnait des marchés pourquoi mu après 2019 ou après 2023 wala 2022 2021 muy créer un club de préférence nationale alors que bi muy gagné ay marché tegu woon club permet la pertinence. permettez-moi de donner une petite leçon déontologique. Dis nga bo ëllëgee bu loxati muy xamle deel wax moy wax né ku la waxone la amul 2019. non amul ba non non deel wax dégguma ko. deel wax xamuma ko non non dama né dama né dama né gardez ma petite leçon ça va vous servir. Galas. Oui. certes amul c'est est vrai. Mm. Bob ma boog man xawmako parce que il avait l' esprit. bii mooy troisième fois Ablaye lay tenté de mettre cet organe bu njëkk bi xam nga bu njëkk bi xam nga la ko njëkk commencé 2016 mm. bi ci des sama kañ la 2018 mm. bi ci des la def nii ginnaaw bu mu sibiree des terribles euh, percussions du régime du régime actuel. Abdoulaye Sylla a connu des percussions du régime du président Macky Sall. mais dans la jox suma sumay sorti yu ma défendre Abdoulaye Sylla en 2020. Et en 2021, vous êtes témoin. Oui, vous, Mais, euh, je pense que vous le soutenez en tant que... Voilà, mais Bobo, parce que ci ay fait la C'est la relation avec a commencé Bobo, quand nga déggoon koy défendre c'était seul comprendre comprenez mais mënuma la wax Ablaye Sylla marché mu ñu annulé mu gagné toutes les instances première deuxième cour suprême rien Balay, léegi rien dafa mujj bàyyi ça te moo gagné yëpp légalement. marché légalement oui. si quelqu'un au-delà de oh. am entreprise bu Mac, légal mais si quelqu'un qui a aidé le président. oui aider le président entre guillemets je ne sais pas dama je ne sais pas xam nga wax c'est mon qui vous parle je me limite là où je sais. d'accord dama ne. Hmm. Euh, am a ay pas régime bi je ne sais pas parce que régime hmm. mooy le personnel qui gère l'État. L'État, c'est l'organe. Beaucoup nous. Mais, euh, dans le Khamnane, gagner un marché légal. Annuler Nico, devenir cours sur gagner. L'hilaire, non. Je m'arrête là. Comprendre. Après, l'eau, je vais civiliser. Je vais créer une entité syndicale. Donc, si je suis bolé, je l'ai toujours dit à mes gens. Si je suis 50 ans, je c'est séparer. Certains ne comprenaient pas fait li la doon xaar li la doon bañ du ben 50 préférence nationale est une entité syndicale ab syndicat la bo xamné 30 grandes entreprises ñoo ko composé Ablaye Sylla jiite ko. mais Ablaye Sylla c'est différent du club des investisseurs objectif. ñu bi club 50 préférence nationale la tuddu lan lañuy xex muy bép marché wala bép lu jóge ci état du Sénégal. na ci doomu réew mi am 50 parce que comme Sénégal aussi nous ngi ñu ngi feneen fu Sénégal ay Sénégal di gagner, gagné il faut ay Sénégalais gagner fi mais bu fi Sénégalais gagner aussi nous Chine men feneen fu mu mën a doon kooku am préférence locale préférence nationale ça existe partout. l'idée est pertinente. et noble mais damay gis. oui euh, noble on peut voilà mais damay mais damay gis quand même. Mm-hmm. Euh, si développement mm-hmm. euh, est-ce que nous avons un populisme quand on sait que nous sommes dans une zone qui s'appelle l'UEMOA. Mm-hmm. les marchés publics. Euh, des euh, dañuy def communautaire. oui donc vouloir appel international pourquoi pas de 50 c'est un peu utopique. écoute non du tout mais Chine mais Chine est une est une grande puissance universelle. vous n'avez pas la écoutez attendez vous êtes, non, non non attendez ce n'est pas pas une question de pauvreté c'est une question de principe. Il y a des pays qui sont plus petits que le Sénégal qui l'appliquent. Gambie, Tandjamé ce n'est pas ça c'est une question de principe Moi, man kat lii lu fi que dama koy jox doomu réew mais ça veut dire comprendre tu te loolu Ablaye Sall def Vous respectez les normes de l'UEMOA alors. non normes de l'UEMOA c'est quoi norme de parce que vous êtes dans une zone. non écoutez. Vous avez ko war vous bu ngeen non euh, mm. Chine Gambie def loolu. non attendez dama toutes les grandes puissances démocratiques ñoom ñoo au comme Chine comme États-Unis comme tous les pays développés le font l'ont fait comprendre économiquement oui moi. cest il faut oui. que oui. soit important économiquement. oui euh, pour les créer zone moi c'est pour mën concurrencer ces grandes puissances. oui maintenant si le Sénégal se distingue Côte d'Ivoire distingue. keneen distingue non non ce n'est pas une question de distinction. il faut aller revérifier les statuts de l'Imois. c'est simplement la libre circulation des personnes et des, biens. ni plus ni moins ça n'a absolument rien à voir avec quelqu'un qui a gagné la société yi a pour ce jox parce que malgré les mois théoul Sénégal 5, Gambi mi 3 virgule Kenya 7 virgule Côte d'Ivoire ñu virgule économique du benn. ça n'a, ça ça n'a absolument suñu changé, mais le code des marchés. non non non la code des marchés mais mais mais la mais c'est le combat changement du code des marchés mais c'est ça le combat. d'où pour Abdoulaye sila ok d'où pour Masamba du pour ma Demba. c'est pour tout le monde mais quand même ba ci ba ci menuisier ba ci ba ci menuisier bois bi ba ci ba ci métallique bi ba ci jaaykatu ceex bi ci mbedd bi comprendre nga loolu maa ko défendre sëñ Modou Bousso Niang Abdoulaye Sylla bi mu génnee bi mu ko créé man sëñ Modou Bousso Niang maa ko lu ma jaaxaloon maa défendre ci Sénégal lu ma jaaxaloon wuyu wër tous les califes généraux Bon, je parlais pas de la politique man ma défendre C50

Je par sincérité d'abord ça c'est ma communauté je dis toujours en sociologie euh, en sociologie ma mais donc en sociologie la famille d'abord et après la communauté et après la nation mais dof yi boo xoolee eh, kii day gënalé ki xana xam nga Sénégal yi benn la. Eh. parce que dama la yow laa njëkk dégg nga wax né waaw ci comme attaque. la commune de Touba je l'ai les hommes forts mourides. ma waxat la li gëna ma waxat la li gëna graw oui avant may wax kër nak dégg na ci ci kuy fenné ne C50 dañ ko teg pourquoi parce que dañu soxla ay carte